ne lu ko jàpp man su ma moo tax bi affaire yi xawee kii ñu yokk suñu tànk wàcc dugg ci ñax mi. salaamaaleykum. oui c'est comment. patron ça va. oui c'est comment tu vas. waaw. merci. oui ça va. boo leen naxul ñoo maase booy yi ah. doon tëral fee boo leen naxul ñoo maase booy yu ndaw lañ barke yàlla booy yu ndaw kenn solo ci ak tubal Ils ont tué les trois militaires maliens. Ah Oui. Trois Les conteneurs qui sont là-bas. Ouais, ouais. Le, le, le là. Oui. Il a percuté le conteneur. Ils ont tué les trois. Le conteneur là. Ils ont tué et brûlé. Brûlé trois personnes. Allah Akbar. Nous, on a de la sang. Nous, on nous a amenés jusqu'à là-bas. On voulait nous tuer. Voilà. Les rebelles là Les rebelles là, ils nous ont tous pris en otage. Ils nous ont amenés jusqu'à là-bas. Ah. Ils ont demandé le chef en peuple on va laisser les cheveux ou bien on va dire, Ils disent que non, il faut laisser les cheveux. Ils ont pas. C'est beaucoup de personnes. Et puis, ils, sont, tous des amis. Ils sont, tous des gamins. Ils sont tous des gamins aussi. Je, crois que ce sont des peuples. Les voilà, ça peut, ça, ça hein. Ils sont en train de répéter la ilaha illallah, là, Si, si. Alors qu'ils ne connaissent pas les dire. Laïla, La ilaha là. Oui. Subhanallah. Ah. Mais mon ami, il n'y a pas d'escorte. Hein? Il y avait, il y a une escorte. Ils Il y avait deux pick-up. Deux pick-up. Il y avait deux motards, deux motards. Moi, en première, on a, on a été Moi, j'ai fait comme ça. Même ils ont tiré sur moi. Sur, ça a été cassé sur le Et eh, tous les ans, ils ont sorti. 能不能么加的？